Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Oga et Hassan SOS s'expriment. Vous vous rappelez certainement, bien évidemment, de Oga Slammer. Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss RIM, Vous vous rappelez aussi de Hassan SOS, l'artiste photographe, animateur, chanteur. Il était aussi, bien évidemment, sur l'émission Franco Aoussa de la Miss Rim. Donc, sur l'émission tous à la fada du studio Kalango. Vous êtes connectés un peu partout, les jeunes du Niger. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler des jumeaux, bien évidemment, dans ce monde artistique. Ils font la fierté de notre cher pays, le Niger. Nous avons l'obligation de faire un zoom sur eux. Ils ont fêté leur anniversaire le 30 passé. On était tous au cœur de cet événement. Alors, on continue, bien évidemment, de parler de cela. Eh, ben, ces garçons, ils méritent, bien évidemment, cela, parce qu'ils parlent du Niger. Vous vous rappelez certainement, il était au Mali, il a représenté les couleurs nationales. Hassan à travers aussi son objectif, ok d'accord, à travers son émission, il fait la promotion de la musique nigérienne. Nous, sur le studio Kalangu, nous avons l'obligation de faire la promotion, bien évidemment, de ces acteurs culturels, de ces artistes, de ces hommes euh, qui valorisent d'une manière ou d'une autre la culture nigérienne. Pour cette raison, aujourd'hui, nous allons parler de leur carrière artistique. Nous allons parler des projets des jumeaux sur cette émission. Vous venez de nous prendre en cours, ils sont jumeaux sur cette émission. Alors, Oga, je te la bienvenue aujourd'hui. Je commencerai par toi. Merci beaucoup. Tu pètes la forme Ouais, je suis en forme. Tout se passe bien Ça va. Oga mère qui répond au nom de Hussein à l'état civil. Hassan SOS, comment tu vas Je vais très bien. Tout se passe bien pour toi Alhamdulillah. Tout le Niger te regarde et tout le Niger te suit à travers nos 46 radios. Bonjour le Niger. À <laughs> Covid. Yeah. Alors, Hussein, tu vas me parler un peu de ta carrière artistique tu vas me dire quand est-ce que tu as commencé à slammer. Tu vas me dire combien de titres tu as. Tu vas me dire combien d'albums tu as de disponibles. C'est important qu'on fasse le zoom sur votre carrière. Euh, voilà. Euh, ma carrière a débuté en 2017. 2017. Il y a de cela trois ans. Mais avant cela, tu as chanté. Quand tu étais au village, tu n'avais pas l'habitude de... Euh, au village, j'ai chanté. Hein? J'étais aussi acteur. Bon, les gens. Le il a oublié cela. Hmm. Il, était, enfant, mais toi, tu te rappelles très bien de ça, <laughs> non non <laughs> Lui, il était enfant. Eh ah. c'est moi qui stocke tout. Tout. Ils sont nés à la même date. Hein. <laughs> eh ben, les jumeaux se classent sur cette émission. Hein. là Donc, le public villageois me adore cet artiste beaucoup plus dans la comédie. Quand tu dis villageois, tu parles de SOS. Du village enfin, SOS. Voilà. C'est ma façon de, de parler, de, parler. Voilà. Donc, euh, après ça, euh, j'ai rencontré, j'ai vécu des moments difficiles. Moments difficiles Oui. Explique-moi ces moments difficiles que tu as vécu dans l'art. Bon, pas, c'est pas dans l'art. C'est dans ta vie. Euh, c'est dans ma vie. Ok, d'accord. Tu as connu des euh, difficultés. Le fait d'avoir euh, eu la chance mhm. de, passer par SOS j'avais cette. Euh, ils m'ont impliqué l'art, au fait, mhm. l'amour de l'art. De l'art, ok. Donc, j'ai pas oublié ce, ce côté-là. Mhm. Je me suis dit que, bon, j'ai un côté que je, je peux développer mhm. pour, que je, euh, pour que demain, ma personne soit très importante dans cette vie, dans cette société. Donc c'est là, en, en 2017, j'avais déjà commencé à écrire dans les moments difficiles. Mais ces écrits-là, je me suis dit que ça peut je peux les développer dans mon art mhm. et parler des gens, mhm. sensibiliser les gens en fonction de ces écrits-là, en fonction de ce que À travers ton art, tu essaies d'amener ta part de contribution en touchant bien évidemment la, ben, hein, jeunesse, et la population aussi hein, et de manière générale. Hassan SOS. J'étais connu aussi euh, avec SOS Shooting Camera, l'arme à la main comme on dit. Mhm. Ça t'est venu l'idée de faire la photo quand L'idée m'est venue en 2017. 2017 aussi, Vous avez tout planifié comme euh, <laughs> Waniski. Vous avez donc prévu de débuter ensemble vos carrières, vos deux carrières C'est juste là quoi. Ah, c'est planifié. Ah non, c'est pas de la coïncidence. Les jumeaux, se parlent des fois entre eux. <laughs> ok, d'accord, par télépathie ou je ne sais pas, par des machines euh, euh, qu'on ne voit pas, mais apparemment vous communiquez. Vous communiquez. Parce qu'en 2017, j'ai un groupe qui s'appelle Thomas Thomastin, je connais Thomas beaucoup avec eux, on parle souvent devant Kanazi de la bourse. Et il, nous faut des vidéos et des photos. Dès là, j'ai payé ma toute première caméra, une petite caméra qui s'appelle euh, PowerShot. PowerShot, ok. Donc c'est avec ça que je fais les vidéos et les photos. Mhm. Et avec euh, les groupes influents qu'on suit souvent, les Tinarouens, les grandes bandes de Touareg, mhm. et on voit les photos et les vidéos qu'ils mettent, ça, c'est de la qualité. quoi. Et je me dis, ah, il faut qu'on avance nous aussi sur cette qualité de, travailler sur des petites caméras, ainsi de suite, jusqu'à j'ai eu vraiment l'amour de la caméra. J'ai dit, ah, il faut que j'ouvre cette caméra, je vois qu'est-ce qu'il y a dans cette caméra. Et voilà, j'ai pris tous les cours sur YouTube et c'est parti. Tu t'es auto-formé Ouais. Ah, il faut produire, tu es jaloux tout à l'heure, t'as fait les <laughs> Waouh, super, tu as cherché. Au lieu que pendant que lui, il est sur YouTube en train de regarder euh, les clips vidéo, comment est-ce que les choses se passent. Toi, tu regardais des tutos pour voir comment. Des tutos. <laughs> des tutos que des fois, je comprends même pas parce que c'est de l'anglais. C'est de l'anglais, des fois. Tu te débrouilles en fait. Voilà, je me débrouille. Tu, lui, il paie les méga pour s'auto-former il fait des messages aux petites filles. <laughs> Euh, je sais qu'il allait venir. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Alors, on va finir avec, euh, n'est-ce pas, un truc artistique. Ok, pour faire plaisir à toute la jeunesse, ok, d'accord Et Nigérienne qui nous kiffe euh, un peu partout à travers, bien évidemment, nos 46 radios partenaires, à travers aussi nos sites télévision partenaires. Alors, je commencerai par toi. Je hein, commencerai par toi. Alors qu'est-ce que tu vas me proposer Et De lourd, hein, en slam. Euh, je ne sais pas, tu vas conscientiser la jeunesse. Euh, tu vas t'adresser euh, bien évidemment à la nation. Parce qu'on sait que nous sommes déjà dans le processus électoral. Alors est-ce que tu as déjà un texte qui va avec Ou je ne sais pas, un mot à l'endroit de la jeunesse nigérienne. J'ai une lettre à mon nouveau président. Il a une lettre à son nouveau président, mesdames et messieurs. Et C'est de cela qu'il s'agit. On va écouter donc Oga Slaver sur cette émission. Eh, la lettre de Oga tout de suite et maintenant. Excellence, monsieur le nouveau président. Ceci n'est pas vos messages à la nation, c'est plutôt une lettre au nouveau guide de ma génération. Monsieur le Président, j'espère que vous savez certainement ce qui vous attend. Monsieur, vous avez devant vous un peuple impatient, un peuple conscient, un peuple qui a soif du changement. Ce peuple veut que vous soyez plus créatif, actifs et passifs que les régimes précédents. Ils veulent que vous soyez un bon combattant afin d'amener ce pays au premier rang. Excellence, Monsieur le nouveau président, le saviez-vous que durant des années, les équipes qui nous dirigent n'ont jamais connu un bon 10 Tantôt c'est une équipe qui nous pille et parfois c'est une équipe qui nous ruine. Celui qui osera parler deviendra un homme pendu. Hey, la suite très très prochainement sur nos différentes émissions. La lettre, elle est dingue, mesdames et messieurs, c'est une dinguerie, n'est-ce pas, Kader Alors, puisqu'on a eu la lettre au président, ce qu'on va faire une fois, bien c'est la lettre quand même, il est adressé au président, au nouveau président mhm. de la République du Niger. Et le président toi, savourer ça avec la musique. Avec la musique, le président peut même danser, <laughs> pas de souci. On a vu le président danser. <laughs> on va inviter tout le monde à danser sur le son, parce que le Niger. C'est un pays de prospérité. Ça va prospérer. Yeah. Alors, le feu, c'est quand tu veux DJ. Eh. C'est comment Allez, la danse c'est comme ça. On chante la <laughs> Non, j'ai comme ça. Voilà. Ça, c'est à hein? <laughs> Jérusalem, okay. Ikayalami, uh -huh. Inondolose, Urambenami, Zungalishilana, Ilnigerize, Lavo Iwono, Aikasa Niger, Kasata Muche, Mbamugina Kasamu. Bawanda wanda zai ta machine And Hassan et Oga Tolkit. C'était votre rubrique, mesdames et messieurs. L'artiste s'exprime sur l'émission Tout ça la fada. Gina Kassamu. J'ai trop de haine dans cette dunia On se bat pour la famille, pour nos amis Pour avoir de quoi se faire une vie ah, Oh my god